comme nous pouvons dit, sans terrain ni terrain pour baisser, c'est mieux. Mais nous avons organisé un match, nous avons organisé un match c'est ce stade, nous la première fois. La première fois, nous avons eu qu'il appréhension, une appréhension, pas risque. Nous avons dit qu'il y a un Japonais, nous avons fait un match test, pour nous permettre, de nous s'approcher, nous avons quelques réflexes, donc l'organisation mën maîtriser un peu la réalité du stade donc loolu euh, de ci jublu woon le 23 mai au Japon, demain. ou demain demain tomber avec organisation forum euh, mondial de l'eau Oui, euh, organisation pour rëy boo xam mobiliser service d'ordre mobiliser aussi les alentours donc du stade day jafe ñu mën ci condition yooyu mën ci organiser match nañ ko bëggee ak liñ ci jublu woon muy test bi nga xam ne moom la war a nekk moo tax finalement match boobu dañ ko annulé mm-hmm. donc par conséquent euh, daf ñu aussi obligé ñun ñu gën a teel a jógaat ci modalité d' organisation xëy na match test bi doon nañu permettre ñu am ci quelques enseignements waaye li ñu fas yéene mooy à partir de maintenant

organisation d'une nga xam facile le lañ et très def te pour fédération et défi pour ministère du commerce euh, des sport.